Allô? Hello. Oui, allô? How are you? I'm fine, and you? Fine, yes, you know. Yeah. How come Senegal Yes, uh, palais présidentiel. Are ah, you? Yes, because. Uh, en fait, euh, expert en mode culture. Ah, expert en mode culture. Culture. Culture. OK. voilà donc nous voir euh, ci Sénégal parce que Sénégal il y a dafa am qui parce que culture bi de ko quoi. Wow en fait ni ñi solo bahul. tu sais euh, check down c'est pas bon check down c'est pas bon en fait c'est pour les américains les prisonniers américains. Waouh, ça c'est vrai. Ouais, je peux que nous nous ñu pendre seen bob, c'est biir prison bi moo nous ñu dindi seen ceinture. ok d'accord. Ok, ok paaw c'est pas bon parce que paaw il faut dafay dankaloo il faut soo soleil, c'est tout, waaw da koy naj. you know c'est vrai. en euh, fait euh, après du mu commencer du sol khaftan pour les hommes et sol très bien. beaucoup eh, de après culture. Une suñu culture. mais les femmes nous sol Taïba. Taïba, effectivement. tagal. tagal ça c'est bien ça c'est bien mais sol. Eh, eh, ok moi. ah oh, expert. oui merci ok ciao. <laughs> Allô Oui, allô, président Oui. Ça va, vous allez bien Palais présidentiel, s'il vous plaît. Oui, oui. C'est Samuel euh, Enchanté, monsieur Benkenyenke. Oui, je suis un Sénégal de l'extérieur. OK. Je suis revenu dans mon pays pour investir. D'accord, ça c'est bien ça. On a financé un projet de 52 milliards euh, à Pout. À Pout Précisément, oui. Ah, très bien. À local. OK. Pour le projet là, j'ai mis 52 milliards. Très bien. Pour le euh, projet, pour défendre pour de et Kanya mais jusqu'à présent ça n'évolue pas on a aussi un autre projet pour euh, ñuy un euh, parc quoi pour Golay yi dafa ak mais ça aussi ça n'évolue pas donc franchement je suis désolé. Euh, monsieur. oui c'est vous qui avez besoin d'être dévolu en fait. pourquoi. Oui, de me Je évoluer. je suis pas d'accord hein. s'il vous plaît à demain. Orei goloi, pengoei goloi busiki. Allô Allô Oui. Ça va Ça va bien, merci. Ana président Président nga soxla moom sok soxla Eh, waxal kan sa soxla après dinaa ko wax i su ma mënoon am président nag nag moom dina ma neex eh, dafa xaw a jàpp nag moo ah tax ah bon oui waaye eh, su ma la waxee message moom dina ko jot insya allah pas problème. man dal dafa am menjahal jaxal dal. Da mo la wara jaxal. yow dal lo xalat ci richesse rek am nako. Manam? j'ai tout. tu as tout Amna auto, oto keur gu rafet. -huh. Amna khalis bu Uh -huh. Amna jamono j'ai tout. Ya ngi liggey? Liggey bu baax. ah La moy problème bi. man dal lima jaxal dal moy amul benugur góor bu ma mi lu tax ñemewuñu la. jàkkaarloog man na ma dama laa nopp daal duma ko dégg. non mais c'est pas vrai ça. lii daal moo ma jaaxal. lu tax ñuul lu war laa ragal pourquoi. jaaxal na ma torop. ma bëggoon. waaw nga ma président mu innové. mu innové. takk ma deuxième femme ma dugg biir palais def ba mu baax lii de laa bëgg ma la laaj lu ci sa xalaat. Euh, bu nga dégg dëgg. waaw. président nit may nit gis ma man di dem si président xanaa ma ne ma def gënu ma bëgg lu baax de ma bëgg lu baax noonu mu bëggee noonu laa ko bëggee nga fi di wuyu rek téléphone kese lu baax man tamit.